alors amal de dama bëggoon daaneel ci xam nga dafa am solo nee naa ko déjà y a l'histoire des fleurs. donc yoo xam ne moom moo indi li mu doon wax parce que ñoom léegi nee même bu tali daggee Manhattan am na tali bu fa dagg donc ça prouve que bu daggee Sénégal mooy on est on est émergé on a émergé ñoom léegi li ñu comparaison yi ñuy jël dafa tiital ñëpp li ci am wax na sànq leneen lu am solo travaux terre yi mais euh, PDL bii nga xam ni c'était spécifique dañ cee jël budget pour assainissement wu terre Serigne une est-ce que c'est normal yaa ngi wax audition juillet 2020 xam nga juillet 2020 wala 21 quand on a demandé à auditionner les ministres bañ on a refusé ñu auditionner Le problème bi mënoko évacuer sur parce que bo on wax ni les inondations le dérèglement climatique ça veut dire quelque chose te loolu nga admettre ko c'est très bien que li ngeen nar investir c'est à perte parce que Dakar dafa ndànk Dakar là. la li ñuy recommander dañ naan leen jóge quand la nature réclame ses droits ñun amatuñu capacité financière pour dem dëkk fa plan bi dafa waroon a nekk ça se pose le problème L'année moo ngeen ni la zone de prospérité bi ngeen bëgg à partir de Diamniadio jëm est-ce que loolu c'était une bonne idée. alors là, ça pose on va y revenir Amadou Amadou alors Amadou euh, vous acceptez les résultats des élections ou bien. nu ñu koy accepter non dama bëgg xam lan position. parce que ak vous ne reconnaissez pas la commission mais depuis résultats ça veut dire que vous acceptez les ah, résultats de commission ah. commission nan lañ koy a. dañu li wax dafa leer commission bi bëgg des PV comme code électoral maye vous pouvez accéder à tout document et porter des observations sur les PV Nous le code électoral wax ñu nous président bi dañuy xool ay PV mu lànk bañ PV sont des PV non signés problème yi fi mu am xam on sait ce qui s'est passé aujourd'hui Benno Bokk a à peu près 1 million 000 voix Fouta rek moi, il jox cinq cent voix C'est tout le Sénégal un tiers de ces voix ne que ko les foutre. non c'est c'est Fouta c'est pas 000 voix. calculer c'est li nga fa am nga non mais demande nga calculer ko. demal nga calculer da le nord. mais pas foutu. le nord en termes... li fa am c'est extrêmement grave pour le pays c'est extrêmement grave pour sa géopolitique Les li am d'un dañ koy wax sans kenn ils essaient de dire on stigmatise les populations Qu'est-ce fa wax les populations Fouta ku fa a pas euh, président Macky Sall privilégié wu par rapport aux autres euh, régions Bon, demain, ça c'est peut-être l'une des régions les plus démunies mais si ñu jëlee Fouta jël ay xale utal leen ay carte d'identité. identité mu nekk une réalité que dont tout le monde ferme les yeux. ay qui n'ont pas la majorité qui n'ont pas la majorité et qui se retrouvent mm. malheureusement ñu jox une majorité pénale alors que ce sont des adolescents L'homme, c'est très grave te un jour on fera l'audit l'autre phénomène de ça, le vote des frontaliers mauritaniens Lolo, il faut qu'on arrêter phénomène bi dem le représentant de PASTEF avait écrit pour demander aux autorités inactives frontières de frontière arrêter Lolo. pourquoi mu grave Mauritanie ils ne reconnaissent pas la double nationalité Ben, Mauritanie pas xam nañ ni le système bi entre les mains des mours entre guillemets de peau blanche de démographiquement la population négro-africaine il faut nous wàññi parce que bëri nous jusqu'à présent le retour des réfugiés jusqu'à présent le retour des réfugiés parce que si nous il change la composition démographique et forcément le pouvoir risque de basculer entre leurs mains nous ñu dem irresponsabilité totale confier le destin politique du foot à un Farbangom mu tout le titre foncier de Macky Sall biñ fay wax en majorité ce sont les électeurs négro ñi ni jógee Mauritanie ñoñu bis bu Mauritanie jotee ci fichier électoral du Sénégal ba identifier ils perdent de fait leur nationalité lolu ndax jar comment on peut un pays un état irresponsabilité yegg ngay nga xam dëkk bobu commencer assis sur une bombe bo xamni tôt ou tard xam nañu day exploser ñu refuser à des populations autochtones qui sont allogènes de Mauritanie jox une nationalité une politique presque apartheid la la femme am yéen ngeen nationalité dañuy voter ñu. est-ce que vos représentants dans ces bureaux de vote parce que Bobatay, vous que gis nga ñu preuve d'un de vos représentants dans ces bureaux de vote vous bu contester les PV. Vous ça veut dire que l'administration territoriale est complice la SEDA est complice la justice est complice bien sûr mais loolu léegi nga a contesté les représentants d'ailleurs de la Yewwi Askanui, Daniel, dañ de war a delloo njukkal que nga les PV qu'on a vus, ce sont des PV non signés même pas par le représentant de Benno il n'y a pas un cachet de la préfecture, parce que c'est un écouté. Même Benno signé Avec des scores fleuves, il y a une carte. nga gis évolution bu 2019 nañ 2017 évolution de la population démographique élection législative 2017 de Podor paye aujourd'hui de est-ce que duñu est érigé en région mu tellement la population elle est importante on ne joue pas avec ça dans un État on ne joue pas, on C'est de la manipulation quand on dit qu'à c'était 48 000 habitants. Non, je n'ai pas dit 48 000. Ça, ça, ça, ah, Non, non, non, non, non. Quand je vais continue. il Parce que... le Dans votre discours, il y a deux points. Non. non. Vous parlez de deux Ça la responsabilité de ses propos. ni Fouta vous arrêtez toute forme de stigmatisation ça c'est une question de l'État donc amna. non mais il y a une stigmatisation mike may xam nga ki ngeen rebelle bis bu mode en noir, doon wax a ko taxé de rebelles de machin de truc d'islamiste salafiste kon stigmatisation xam nañ ko ci yéen réglé la situation on parle d'État jox ay étranger pour nous voter Pourquoi c'est pas. mais mais est-ce que vous avez des preuves est-ce que vous avez euh, identifié. des images de de qui de de Mauritaniens quittant la frontière. pour venir voter on est accusé euh, la charge de la preuve xam nga man sais simple. si on enlève aujourd'hui 8000 électeurs 8000 du FOTA, ils perdent leurs député Ben député il suffit d'enlever 8000 PV ci calcul yi 8 000 8000 8000 personnes voix Si vous enlevez 8 000 voix dans le nord vous perdez votre député qui vous permet d'avoir cette soi-disant majorité relative qui n'est pas une majorité. Mais ça, on y reviendra. Donc, Alors, à mon donc ça, nous, ah, ah. on va porter le contentieux. On donc, va donc, porter donc, donc, donc, dernier, dernier, dernier avis. On récuse ces résultats. Vous récusez ces on résultats. les conteste. Ok. Dañ koy récuser, contester ko. Hmm. Yobbu ko fi nga xamanteni fa lañ ko Ok. yobbu. Même si on sait très bien que ni le calcul a été fait de façon mathématique pour nous am ce, ce, député de plus. 82. 82. D'accord. Voilà. Euh, maître